forum du le forum du le forum du le forum du le forum du Bienvenue à tous dans le forum du Studio Kalangu, une émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème principal du forum d'aujourd'hui est l'exercice de la liberté de manifestation à Niamey. Quel bilan tiré en 2018 La liberté de manifester est-elle respectée au Niger Sinon, pourquoi Qu'est-ce qui fait la force et la faiblesse de cette liberté à Niamey Quel bilan tiré des marches organisées et celles interdites Qu'est-ce qui explique l'interdiction de ces marches Existe-t-il des insuffisances dans la loi qui encadre les manifestations sur la voie publique Si oui, pourquoi Comment garantir l'exercice du droit à la manifestation dans sa plénitude Quel est le rôle des associations et organisations de défense des droits humains pour l'effectivité de la liberté de manifestation Pour répondre à ces questions, nous avons invité Michael Zodi, coordinateur de l'organisation Tournons la page section Niger et membre du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante. Michael, bonsoir. Oh, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et également présent dans ce studio Maina Carté, jury et secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes. Maina, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous d'avoir honoré notre invitation. Notons que nous avons aussi invité pour cette émission la Commission nationale des droits humains, CNDH, et la ville de Niamey, mais nos invitations sont restées sans suite. À la présentation, Alassane Kouzi Mohamedou. Bienvenue à tous dans le forum d'aujourd'hui consacré au respect des libertés fondamentales, notamment la liberté de manifestation. Dans le contexte des démocraties, l'appréciation de la gouvernance des citoyens peut prendre diverses formes, dont les manifestations publiques à travers des sit-ins ou des marches pour exiger soit la prise de décision ou l'annulation de décision allant dans le sens ou à l'encontre de l'inspiration de la population, un droit garanti par des instruments juridiques nationaux et internationaux et dont l'exercice est souvent soumis à certaines exigences ou certaines conditions contraignantes et souvent préjudiciables au plein épanouissement de la liberté de manifester. Pour planter les décors, je m'en vais euh, vous demander de nous édifier euh, sur ce que c'est la liberté de manifestation et les textes nationaux et internationaux qui garantissent la liberté de manifestation. Je commence par vous, Maina Karte, je le disais, juriste et secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes. Alors la liberté de manifester, ou la liberté de, manifestation est une liberté fondamentale, c'est-à-dire que c'est une euh, liberté qui est consacrée par la Constitution. La Constitution en a fait un droit fondamental. Elle est consacrée par des cadres euh, conventionnels qui engagent le Niger, parce que le Niger est signataire euh, de ces différents cadres-là, qui sont des cadres universels. Il y a des cadres au niveau régional. Donc c'est une liberté très très importante à côté d'autres libertés comme la liberté d'opinion, la liberté de penser, hmm. la liberté de culte, manifester, fait partie de ce qu'on appelle les libertés fondamentales. Si on euh, évolue un peu plus, on va parler des euh, droits de l'homme, donc des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle bénéficie d'une protection très très efficace parce qu'elle est accouchée par la Constitution et puis euh, elle a fait euh, l'objet d'un encadrement législatif, en tout cas issu au Niger. On a une loi, la loi numéro 2445 du 8 juin 2004 qui régit les manifestations sur la voie publique. Donc comme c'est une liberté qui bénéficie d'un mécanisme de protection très très efficace, elle est soumise au régime de la déclaration préalable et non au mm. régime de l'autorisation, parce qu'il y a mm. des libertés qui ne bénéficient pas d'un grand système de protection. Ainsi, euh, sont-elles soumises euh, seulement au régime de euh, l'autorisation préalable. Comme elle est autorisée par la Constitution, donc on ne peut pas demander à l'autorité administrative d'autoriser cet exercice. Mm. Mais la loi dit que vous êtes, la Constitution dit qu'on est autorisé mais on le fait dans les conditions définies par la loi. Et la loi, c'est cette loi de 44 que euh, je viens de dire, mm. Mm. elle énumère les conditions mm. selon lesquelles le candidat à l'exercice de cette liberté-là euh, euh, va remplir pour, pour exercer. Je pense qu'on reviendra à la mm, Bien, oui. Mm. Et euh, Michael Zodi, je le disais tout à l'heure, vous êtes le coordinateur de euh, l'organisation Tournant la page, section Niger, et vous êtes aussi membre du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile nigérienne. En quoi est-ce important pour vous la liberté de manifestation en tant qu'acteur euh, de la société civile défenseur de droits humains La manifestation en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'acteur de la société civile, est un moyen de pression par rapport euh, euh, sur le gouvernement, euh, sur des mesures que nous jugeons impopulaires. Donc nous avons des moyens tels que d'abord on commence par les déclarations jusqu'à ce qu'on arrive au niveau... Au fait, c'est l'extrême. C'est le, le, dernier ressort. Le dernier pour nous, quand le peuple sort, quand on fait sortir les citoyens dans la rue, ça veut dire que ça ne va pas. Donc euh, c'est tellement grave que nous sommes obligés de demander aux citoyens de sortir pour continuer à exercer la pression sur le gouvernement, à revenir sur un certain nombre de mesures que nous jugeons impopulaires. Et en fonction de la mobilisation, en fonction de la sortie des populations, on estime qu'effectivement le gouvernement doit écouter ces populations pour qu'on puisse trouver une solution. C'est juste pour vous dire que la manifestation, vraiment, euh, c'est pour ça que ça a été consacré dans la Constitution parmi euh, les libertés fondamentales. Donc, euh, l'exercice de cette liberté nous donne effectivement la force de défendre les intérêts et les droits humains au Niger. Alors, quelle est votre opinion sur le respect de ces droits, la liberté de manifestation au Niger Au Niger, il n'est un secret pour personne. vous savez, je vous ai dit qu'en 2018, nous avons eu ah, a à organiser, à chercher à organiser à peu près 15 manifestations dans l'année. 2018. Euh, Mais parmi ces 15 manifestations, vous avez constaté au début des déclarations des manifestations, nous avons eu 4 manifestations que le gouvernement a dû interdire la mairie, à travers la mairie, effectivement. Et ces quatre manifestations qui ont été, les premières manifestations qui ont été interdites, nous avons choisi les juridictions parce que la loi nous demande, quand on constate que le refus de, la municipalité ou bien du gouvernement à, accéder à notre demande de saisir les juridictions. Et nous avons quatre fois successivement saisi les juridictions. Le juge des référés qui, euh, euh, qui a rendu son ordonnance pour nous dire nous ne pouvons pas manifester. Et d'ailleurs, c'est dans la loi, je parle sous le contrôle de, du grand frère, dans la loi, il dit que pour interdire une manifestation, c'est-à-dire il y a pas, c'est un régime déclaratif. Donc il n'y a pas d'autorisation. Pour interdire une manifestation, il faudrait que les raisons soient motivées. Il, faut, il faudrait que que ça doit être motivée. Et je vais vous dire les motivations que nous avons dans nos manifestations. D'abord, ils disent pour cause d'insécurité, sans aucune motivation, et on ne peut pas marcher la nuit. Comment est-ce que, alors que la loi est claire par rapport à ça, il n'y a pas d'heure de manifestation, il n'y a pas ni jour ni matin, quand le peuple décide, quand les organisations qui répondent aux conditions décident de manifester, juste ils font une déclaration des manif avec les noms des organisateurs et aussi les adresses précises des manifestants. Mm. C'est juste ce qu'on devrait faire pour informer, d'ailleurs même pour informer l'autorité, notre intention de sortir dans la rue et de nous porter main forte pour encadrer la manifestation. C'est tout. Mais très malheureusement, effectivement, nous avons constaté. Donc j'ai dit, on a fait quatre fois successivement devant le juge. Le juge nous dit non, euh, euh, l'autorité en charge des manifestations avait raison. En dehors de ça, il a fallu une rencontre que nous avons organisée au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme avec euh, les différentes parties prenantes où nous avons décidé en commun d'accord d'accepter à ce que nous exerçons cette liberté fondamentale qui le peuple l'avait déjà dit dans la Constitution. C'est à ce moment que l'autorité a fait un peu main levée et nous avons commencé à organiser les journées d'action citoyenne. Euh, chemin faisant, quand ils ont constaté que la mobilisation était au rendez-vous, euh, ils ont commencé encore à interdire. Et c'est ce qui nous a valu la prison, où euh, les principaux leaders ont été arrêtés euh, et jugés devant les tribunaux. Bien, nous revenons à vous, Maina Karté. Cette liberté de manifestation, on l'a vu, en tout cas, la loi qui encadre cette, question, notamment la loi, vous l'avez dit, 2004, hein, régissant les manifestations sur la voie publique. C'est ça vous avez dit que c'est pour protéger cette liberté, il est soumis à un régime de déclaration et non d'autorisation. Et qu'est-ce qu'il faut clairement comprendre à ce niveau Il faut comprendre à ce niveau que il y a deux types de libertés. Il y a des libertés très très bien définies, très très bien expliquées et qui ont fait l'objet d'un aménagement dans la loi, dans la Constitution d'abord et dans la loi. C'est des libertés qui sont emblématiques de l'État libéral, de la démocratie libérale. Alors, euh, sans ces libertés-là, on ne peut pas parler de démocratie ou des droits de l'homme. Leur négation implique la euh, dictature. Alors, euh, au XXIe siècle, aujourd'hui, très peu d'États interdisent vraiment ces manifestations-là. Mm. Dans presque tous les ordres constitutionnels, ces libertés sont très bien aménagées. Et il y a d'autres libertés qui, elles, ne sont pas très bien aménagées. Elles n'ont pas fait l'objet d'instruments au niveau international et régional, comme mhm. les manifestations traditionnelles mhm. euh, que nous faisons euh, dans nos rues. Mhm. C'est aussi des libertés, mais elles ne sont pas, elles, emblématiques de la démocratie libérale. Quand bien même aussi, euh, au nom de la démocratie, il faut les interdire ou les, les permettre. En tout cas, elles ne sont pas venues dans ce panier-là qu'on appelle liberté publique ou bien droit de l'homme. Alors, ces libertés-là, parce qu'elles sont fondamentales, ah, là, le constituant a concédé l'exercice à tout citoyen. Tout citoyen. Comme le constituant, c'est une autorité, comme la constitution est un texte supérieur, euh, c'est le texte suprême, mhm. donc l'autorité administrative qui ne peut prendre que euh, de la, des, règlements administratifs mhm. ne peut pas, euh, ne peut pas ne peut pas être sans motiver. Mm, mm, mm. Ce n'est pas à l'autorité administrative que vous allez demander la permission d'exercer une liberté permise par la Constitution, permise dans les, euh, les, différents engagements internationaux du Niger. Donc, elle, est, elle ne peut être que soumise au régime juste de la déclaration préalable. Vous venez devant l'autorité administrative, la mairie, vous déclarez que le samedi, j'ai une marche, j'ai un meeting j'ai une réunion, etc., etc. Et l'autorité administrative, elle constate et maintenant, elle, elle, elle, elle, dit rien, vous faites votre manifestation. Elle vous écrit euh, si elle estime euh, que il y a, si d'après sa lecture de la cité, mhm. il y a des euh, éléments qui vont menacer ou qui menacent l'ordre public. Mhm. Et c'est ce qui est dit à l'article 7 de cette loi-là. Mhm. Si la déclaration, si l'autorité investit des pouvoirs de police, estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, elle interdit par une arrêté motivé qu'elle notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Alors, on parle de motif. Hmm. Donc, vous avez déclaré et maintenant l'autorité administrative dit, elle, elle, si elle dit rien, vous faites votre manifestation. Hmm. Maintenant, si elle fait une autre lecture de la situation, elle vous écrit, mais elle doit motiver. Et maintenant, le débat, c'est au niveau des motifs. Des Au niveau des motivations. Parce que tout à l'heure, Michael Zodi disait que le plus souvent, ces manifestations sont interdites et souvent le, les raisons de. Le motif que l'administration va fournir doit être un motif raisonnable, un motif acceptable en droit. Hmm. Donc, euh, et c'est là où le débat vient. Souvent, dans beaucoup de cas, l'administration, pour des motifs euh, qu'on ne peut pas défendre, hmm. euh, sort pour interdire des manifestations. Hmm, est-ce que la loi est, claire par rapport à ces motifs Non, non. La loi ne dit pas la nature des motifs. Les motifs, les motifs la loi ne peut pas, euh, la loi ne peut pas euh, définir un motif. Les décrets, les, la, les motifs, c'est quoi L'autorité administrative fait, c'est euh, euh par ses renseignements. Hein. elle dit j'interdis telle manifestation à cause de telle chose. Le motif peut être valable. Mais il y a des motifs dans beaucoup de manifestations qui ne sont pas euh, valables, qui ne sont pas pertinents. Mmh. C'est pour dire qu'il y a des manifestations qui ont été interdites sous des motifs euh, vraiment qui ne tiennent pas. Mmh. Bien. Michael Zodi, vous avez dit tout à l'heure que euh, vous avez essayé d'organiser 15 manifestations. Quelles sont le plus souvent les principales raisons qui reviennent souvent avant cela, je voudrais un peu faire un rappel. Euh, en 2005, euh, quand on organisait les manifestations au mois de la coalition Équité, mm. et vous savez, euh, c'est toujours la même loi 2004 mm. qui, qui existait. Mais il y a une procédure, une pratique qu'on a mise en place avec la police et aussi mm. la mairie. Quand ils veulent interdire, ils appellent d'abord les organisateurs. Ensemble, ils discutent. Ce n'est même pas interdire de voir si vous pouvez décaler votre manifestation de telle date à telle date, euh, l'itinéraire, si vous pouvez faire ceci. Et c'est comme ça, on échangeait avant même l'interdiction. C'est ça les motifs. Voilà, le, tel jour, le président de la République allait sortir, il y aura le cortège présidentiel, il risque d'avoir coalition entre. Voilà les motifs qu'il faudrait. Mais c'est juste, je vous ai dit, c'est deux motifs. Hmm. à chaque fois, il nous avance deux motifs. Pour raison de sécurité, c'est vague. Vous trouvez Nous ne pouvons pas manifester. Hmm. Et deuxième motif, ils disent, comme nous avons décidé d'organiser nos manifestations en soirée, ils disent non, on ne manifeste pas la nuit. Et vous avez vu, là où le ridicule ne pas, les gens ont mal conseillé le président de la République. Il était parti à Paris en disant que oui, les gens veulent manifester à minuit. À minuit, alors qu'en Europe, vous vous rappelez, les nuits debout. Donc, c'est juste les deux motifs-là. Maintenant, non, parce que l'autre là ne tient pas. On ne manifeste pas la nuit parce que la loi n'a pas été claire. Et en dehors de ça, hmm. ils étaient partis loin en violation flagrante de la Constitution pour prendre un arrêté pour interdire toute manifestation en week-end et en soirée. Le maire de, la ville de Niamey a pris cet arrêté. Nous avons attaqué ces arrêtés-là. Jusque-là, nous n'avons pas de résultats. Et c'est pour vous dire que entre nous, et l'autorité en charge des manifestations, il n'y a que la loi, il n'y a que la justice. Et la justice est notre dernier rempart. Et quand on va vers cette justice, nous constatons aisément que la justice n'est pas en train de dire le droit comme ça se doit chez nous. Parce qu'aujourd'hui, une première manifestation, hmm. on nous dit la manifestation est interdite parce qu'on ne peut pas manifester la nuit. Et nous tous, la loi est rédigée en français élémentaire pour permettre à tout citoyen du niveau CMD de comprendre ce qui est dit dans la loi. Et la loi est claire et c'est en contradiction flagrante. Alors nous allons, nous allons chercher des éclairages au niveau de Mena Carté. Euh, je reste présent ici donc euh, dans ce euh, studio avec nous. Mena Carté. Et dans cette question de, de, la loi qui garantit la liberté des manifestations, euh, Michael avait cité parmi les raisons qui sont souvent avancées. Tantôt, ces euh, raison pour raison de sécurité. souvent, on dit qu'on on ne manifeste pas la nuit. Il y a eu beaucoup de manifestations, effectivement, qui étaient interdites euh, ces dernières années. Mhm. D'autres étaient autorisées. Mhm. Celles qui étaient interdites, il y avait beaucoup de motifs. Mhm. La loi n'évoque pas les motifs d'interdiction. Il n'y a pas ça dans la loi. Hein. Hmm, bien. Non, non. Ça, c'est l'autorité administrative. C'est elle qui sait. C'est elle qui connaît sa cité. Hmm. C'est elle qui a le pouvoir d'appréciation hmm. de la situation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, elle doit apprécier en tenant compte euh, d'un certain nombre de paramètres, notamment l'effectivité de la démocratie. Les motifs qui doivent permettre d'interdire une marche doivent être des motifs, comme vous les entendez, ils sont vraiment ils sont vraiment valables. Mhm. Hein, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, euh, si le maire de Difa euh, dit que bon, j'interdis tel meeting parce que euh, j'ai eu des renseignements fiables mhm. qu'il y a des attentats qui sont projetés dans la ville. Le commun de mortels mhm. peut vraiment admettre. C'est des choses qu'on peut admettre. Il y, a, des, idées, dès que vous les entendez, elles ont elles ont un sens. Maintenant, il y a des motifs, comme vous, les entendez, ça ne colle pas à la réalité des choses. Hmm. Nous sommes aussi en politique. Et on ne peut pas juger hmm. de l'opportunité de faire ou de ne pas faire de l'autorité administrative. Toujours est-il que hmm. l'autorité administrative doit fonder sa décision non seulement en regardant les droits de l'homme, mais aussi en regardant, n'est-ce pas, la la température, l'état de la démocratie. Mm, la, décision doit être à même de respecter l'intérêt général, de monde. Qu'elle mm. soit une introduction mm. ou bien une, permission, elle doit respecter l'intérêt général. La manifestation, eh, c'est par rapport à des droits. Mm-hmm. Et les droits, c'est de l'intérêt général. L'introduction doit aussi correspondre à cela. Et, et euh, je pense que dans un état de droit maintenant, si par exemple c'est et les, des euh, candidats à de d'une liberté mm. se voient opposer un refus, mm. là aussi, euh, donc il y a, une de recours, il y a des voies de recours euh, que les lois de la, République, mm. n'est-ce pas, ont prévu. donc on doit faire recours à ces éléments-là. Et je pense que là aussi, il y a eu abondamment des recours devant les juge par rapport, tout à l'heure Michael parlait de, de, de, procédure devant le juge administratif. Et je pense que c'est comme cela que euh, le pays doit exister. Mm. Et dès que l'autorité administrative euh, euh édicte euh, quelque chose qui n'est pas qu'on estime qui n'est pas conforme à la loi, mm. il faut aller directement devant les juges. Mm. Et la justice, tout à l'heure Michael parlait un peu de, de la justice, je pense que la justice aussi, elle a un rôle fondamental à jouer. Les grandes démocraties à travers le monde ont été consolidées par le juge. Hein, vous partez en France, la démocratie française a été consolidée essentiellement par le Conseil d'État. Hmm. Et c'est longtemps après que le juge constitutionnel est venu. Mais la, démocratie française, la démocratie aux États-Unis, hmm. c'est il y a un gardien fondamental qui est là, le juge, qui met les citoyens au pas. Et je pense que le juge africain en général et celui nigérian en particulier doit être conscient de cette tâche. C'est à lui de forger la nouvelle marche de la démocratie. Hmm. L'état de droit ne peut être atteint que quand le juge assume ses responsabilités hmm. véritables. Hmm. la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que dans la loi qui encadre cette euh, liberté de manifestation, est-ce qu'il euh, est prévu des horaires Est-ce que des horaires de manifestation ont été prévus par cette loi euh, et des jours euh, euh, dans lesquels non, non, non, non, il a pas dans la loi, on n'a pas dit que les libertés publiques s'exercent uniquement le samedi ou bien le jeudi, ou bien elles s'exercent à partir de 8 heures, ou bien non, non, non, non, il n'y a pas des indications par rapport au temps. Là, c'est l'autorité administrative, non, c'est l'autorité administrative qui peut on peut exercer une liberté à partir même du. même, même, à minuit, il y a des libertés qui peuvent s'exercer à minuit. Il y a des, il y a, des, on peut faire des réunions politiques à 1h du matin, à 2h du matin. On peut faire euh, aussi à 7h, à midi. Il n'y a pas des indications. Il n'y a pas des indications. Hmm? Donc maintenant, l'autorité administrative, elle n'est pas. Euh, c'est c'est elle qui va regarder si tel temps, tel endroit, tel itinéraire, hmm, tel contexte mhm. correspond n'est-ce pas, euh, va de pair avec la nature euh, euh, de, la liberté qu'on va exercer. Mmh. Ça, c'est le droit administratif. Mais je pense que ça, c'est un débat, on va tourner en rond. Le débat ici, c'est celui de la motivation d'un refus. Le refus opposé par l'administration doit être un refus vraiment qu'on peut admettre dans l'esprit. Bien. Avant de continuer, juste je voudrais vous demander une question aussi. Mmh il avait soulevé tout à l'heure la question du fait que euh, l'autorité administrative euh, de Niamey avait à un certain moment pris un arrêté pour, euh, pour remettre les manifestations uniquement au, au, week-end et non les jours ouvrables. Est-ce que ce genre de décision concorde avec la loi Non, non je, je, vous, peux vous arrêter, ce n'est pas, pas normal. D'abord, ce qu'il faut dire, les interdictions des libertés doivent toujours être limitées dans le temps et dans l'espace. les, pouvoirs de police euh, ne sont pas d'application très très rigoureuse. les pouvoirs de police ne sont pas d'application absolue. Mm. Donc il y a toujours une limite, notamment euh, cette décision doit être euh, doit, la, décision du maire doit regarder en face la nature des libertés et la décision du maire ne doit pas être absolue elle ne doit pas aussi, euh, c'est-à-dire mettre cet exercice-là dans un certain enfermement, notamment des jours et des heures bien indiqués pour leur Non, on peut exercer une liberté le lundi, le mardi. Surtout que là, on a une loi et ce côté, c'est un arrêté. Euh, non, non, ce n'est pas, dans tous les cas, ce n'est pas normal de euh, dire que telle manifestation, vous êtes autorisé uniquement tel jour. Ce n'est pas loin de l'interdiction, ça doit être très nettement motivé, n'est-ce pas, en droit et dans les faits. Bien. Euh, alors, euh, pour, parler un peu de cette loi, euh, Michael Zodi, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez senti quelque part des faiblesses ou des, en tout cas des garde-fous dont dispose cette loi qui vous permettent quand même de continuer à, exercer cette liberté Ici au Niger, nos lois sont bien faites. Les lois répondent vraiment aux exigences, au contexte c'est très bien fait. Mais les hommes qui sont chargés de respecter et de faire respecter ces lois-là, de les appliquer, qui posent problème. Aujourd'hui, euh, on prend la loi 2004. Vous savez, dans le, cadre de la déclaration même des manifestations, il y a des délais qui sont inscrits dans la loi. Nous avons cinq jours ouvrés où nous devrons déposer la déclaration des manifestations. Avant, euh, la manifestation. Hmm. Donc, ça veut dire que le préfet de police ou bien le maire a tout le temps pour apprécier. Et dans ces délais-là, le maire a 72 heures pour répondre s'il veulent interdire la manifestation et, dire, et envoyer cette réponse-là au niveau de la préfecture ou bien du gouvernorat qui pouvait et, et, ou bien qui pouvait dire au maire non, la manifestation doit avoir lieu. Hmm. Et tous ces délais-là, quand vous prenez les arrêtés, tous ces délais-là ne sont pas respectés dans les arrêtés. On nous amène des interdictions à la veille de la manifestation. La veille de la manifestation, déjà nous, nous avons fini euh, du point de vue organisationnel. Tout. L'information, les points de presse, les dépliants, euh, le podium et tout ça là. Nous étions prêts, effectivement, le lendemain pour sortir. Et en soirée, on nous amène une interdiction des manifestations. Que faire et c'est pour ça que vous avez constaté que nous n'avons même pas le temps pour saisir le juge. Mhm. Nous n'avons pas le temps aussi pour expliquer aux citoyens pour, dire que, pour, dire que c'est reporté, c'est interdit. Et voilà les citoyens conscients qu'effectivement demain il y aura une manifestation et surtout que nous avons institué chaque deux dimanches les journées d'action citoyenne, les citoyens sortent aisément. Et effectivement, c'est ce qui amène euh, le cafouillage, euh, la confrontation entre la police et les manifestants je vais vous dire le problème qu'il y a dans la loi. Pour nous, en tant qu'organisateurs des manifestations, en tant qu'acteurs de la société civile, mhm. c'est par rapport effectivement euh, euh, en cas d'infraction. Commis pendant, les, manifestations. Aujourd'hui, je me nomme Mike Luzodi. Je fais une déclaration en bonne et due avec euh, mon adresse pour dire que je compte organiser une manifestation pacifique voilà mon itinéraire. Et aujourd'hui, on dit, certains ont pu infiltrer la manifestation et ont commis des gaffes. Ils ont cassé. On, ne voit pas ceux qui ont cassé, mais on prend l'organisateur en charge. C'est écrit dans la, dans, la loi. Pour l'arrêter, pour complicité, de, destruction de, de, C'est là où nous voulons avoir l'éclairage mhm. de la part du, constitutionnaliste, par rapport à cette, du juriste plutôt, par rapport à cette question. Parce qu'on ne comprend pas. Nous, c'est une organisation. Nous, sommes pacifiques. Nous organisons des manifestations pacifiques. Et nous demandons, nous faisons la déclaration à notre nom. Comment mm. est-ce que nous pouvons contribuer à la destruction des biens publics Et jusqu'à ce que on nous poursuit par rapport à ces genre de questions. Alors, euh, Mena vous êtes interpellé. <laughs> Et comment, euh, dans ce genre de questions, situer les responsabilités en cas de dégâts ah suite à une manifestation lancée par, euh, par, une personne ou une organisation ou un, certain, groupe d'organisation Du côté de l'organisateur principal, du côté des concernés, ceux qui ont commis l'acte ou du côté de l'autorité il y a une précision que j'aurais dû faire euh, depuis le début euh, de, cette émission-là. Mm. Euh, nous sommes en train de parler des, manifestations sur la voie publique. je pense qu'il faut préciser qu'il y a d'autres types de manifestations sur la voie publique, notamment celles des partis politiques. Mm-hmm celles des partis politiques et qui ne sont pas régis par, le ah. texte que nous sommes en train de. dont nous sommes en train de, parler, notamment la loi 2004. Les, les, manifestations des partis politiques sont euh, régies euh, par. Euh, il y a des dispositions de la charte des partis politiques, notamment mm-hmm. au niveau de responsabilité en cas de dégâts, mm-hmm. hein, et même au niveau de la procédure pour demander. C'est en ce qui concerne les partis politiques. C'est en ce qui concerne les partis politiques. Mm. Et d'autres manifestations euh, pendant la période électorale, par exemple, hmm. là, euh, il faut encore euh, regarder certaines dispositions du code électoral. Donc là, nous avons un droit spécial de manifester pour les partis politiques, hmm. n'est-ce pas, qui qu'il faut voir, qui est aménagé dans la, la, loi électorale, mais aussi dans l'ordonnance portant charte des partis politiques. Et qui fait cas de, cette question de responsabilité. Il y a tous ces cas-là, mais ce n'est pas, pas la loi là qui régit, par mm-hmm. exemple, les tous ces éléments que nous sommes en train de dire. Mhm. Maintenant, revenons au, régime ordinaire de la manifestation sur la voie publique. Effectivement, mhm. eh, il y a un régime de responsabilité mhm. hein, en cas de, de, de dégâts, de, troubles, de violences, de dégradation de biens publics ou privés. Et déjà, euh, dans la procédure, il est intimé aux organisateurs d'écrire leur nom euh, dans, la demande. C'est justement pour... Euh, euh, dans, la déclaration dans la déclaration. la déclaration. Hein, c'est pour effectivement répondre à ce, à ce impératif-là. Mhm. Et la loi de 2004 là, que je, viens de dire tout à l'heure, elle mhm. dit que lorsque des violences, voire de faits, des séquestrations de personnes ou déclarations des biens meubles ou immeubles, mhm. publics ou privés, auront été commises pendant ou à l'occasion d'une manifestation, les organisateurs et les instigateurs de cette manifestation seront punis comme complices d'une peine de un an, bon, etc. etc. C'est des peines qui sont prévues et effectivement, et la loi vise les organisateurs. Bon, ça, nous sommes vraiment dans la procédure. Peut-être il faut revoir la loi. Parce que souvent, dans la manifestation, il est difficile de savoir qui a euh, commis une manifestation où vous avez un rassemblement de plusieurs milliers de personnes effectivement, des cas de, sont aussi possibles. Même pas cas il y a souvent des gamins, il y a souvent des, gens. C'est pourquoi il faut prendre toutes les mesures pour encadrer. les, organisateurs doivent avoir leur propre police, c'est-à-dire leur propre agents euh, agent de, surveillance, mhm. pour, euh, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas vraiment euh, des, débordements, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des actes de vandalisme. Même au niveau des partis politiques, c'est pareil. Donc je pense que là, mm. il faut peut-être faire des aménagements dans la loi, parce qu'il est difficile souvent, hein, imaginez une manifestation de 50 000 personnes, mm. hein, des, des, gars un peu partout. Mm. Alors euh, il est même difficile d'identifier celui qui a fait. Effectivement, il est tout à fait naturel que certaines choses échappent aux organisateurs. Dans tous les pays, on le voit, même en France, même dans les démocraties consolidées, on voit euh, des gens qui profitent des grandes manifestations pour venir faire des dégâts dans l'ignorance des organisateurs. Mm. Et je pense que c'est des éléments qu'il faudrait apprécier au cas par cas. Hein, souvent, les, organisateurs ne sont pas au courant de ce qui est en train de se passer. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne peuvent pas euh, euh, mettre aussi la main sur les véritables auteurs. Donc je pense que ça, mm. eh, il faut vraiment une euh, approche très très concertée mmh. de gestion des manifestations au Niger. Mmh. Il faut qu'on revienne à une euh, certaine pratique. Il faut que les organisateurs et la police euh, planifient la manière d'encadrer d'encadrer ces choses-là. Et j'aimerais revenir mmh. par rapport à un aspect très très important que Zodi avait dit tout à l'heure, c'est le moment de formuler l'interdiction de la marche. Mhm. Effectivement, euh, quand euh, vous respectez toute la procédure, hein, vous demandez, vous déposez votre euh, demande, on vous, on vous fait pas savoir quelque chose. Hein, vous allez manifester le samedi à partir de 8h. Maintenant, c'est le vendredi hein, vers 18h qu'on vous notifie que c'est interdit. Des choses sont déjà engagées. Imaginez les manifestations engagées, projetées sur toute l'étendue du territoire national dans certains endroits, vous n'avez même pas la possibilité technique de dire écoutez, c'est annulé. Mhm. Donc, vraiment, je pense que là, l'autorité administrative doit euh, mesurer ces enjeux-là. Mhm. Si on doit interdire, il faut l'interdire très tôt et très vite, avec des motifs, directement euh, Voilà. parce que souvent, c'est ce qui crée d'autres euh, désagréments. Mhm. Voilà. effectivement, il y a cette question aussi, on entend souvent que dans, certaines, dans certains pays, euh, les manifestations sur la voie publique sont encadrées par les forces de l'ordre. chaque État a sa législation, chaque État a sa pratique. Et puis, euh, les enjeux politiques ne sont pas les mêmes. Hein. la société n'est pas la même. D'un État à un autre, vous avez euh, des éléments, n'est-ce pas, qui, font des éléments qui, qui, distingue donc euh, les organisateurs, les États et puis tous les risques qu'on craint. Hein. Une manifestation au Niger, euh, elle est différente d'une manifestation, je ne sais pas, à Goma, en RDC. Mm-hmm. Et les risques que ça peut créer ne sont pas les mêmes. Vous voyez donc, euh, effectivement, dans beaucoup de pays, la police vient aider les manifestants, les, organisateurs d'une manifestation à bien encadrer les choses. Mm dans d'autres pays, quand la police va venir, ça serait même peut-être une source d'un autre trouble. Donc ce sont des choses qu'il faudrait apprécier au cas, au cas, au cas, au cas, au cas par cas, vous savez, euh, moi j'ai été toujours dans l'organisation des manifestations. Effectivement, vous savez que les maires, par ignorance ou bien je ne sais pas comment, ils écrivent des arrêtés pour dire que nous autorisons à manifester. Quand ils écrivent, nous vous autorisons à manifester, effectivement, on se met en relation avec la police. Toutes les manifestations où euh, ils estiment qu'ils ont autorisé, hmm. euh, euh, il y avait l'encadrement de la police avec nous. On tenait la veille une réunion avec la police, nous hmm. nous organisons et vous allez, vous allez constater dans l'itinéraire, oh, oh, c'est vrai, il y a certains forces qui ne sont pas visibles. Mais ils sont là en train d'encadrer la manifestation. La police de circulation, c'est eux qui arrêtent les véhicules. Vous avez constaté, si vous constatez pendant les manifestations, mhm. la police de la circulation, c'est eux qui arrêtent euh, les véhicules pour permettre aux manifestants de passer. Donc il y a cette collaboration. Et c'est pour ça que. seulement en cas d'autorisation. En, cas voilà. Mais dans les autres circonstances, la police est là sur pied de guerre. En dehors de ça, vous savez, j'ai oublié un autre motif. et ils disent nous n'avons pas assez de forces de l'ordre pour encadrer la manifestation. Hmm. Donc, euh, tout ça, là, ça se discute au fait avec les organisateurs. Hmm. C'est un droit constitutionnel, c'est une liberté fondamentale. Normalement, ça devrait se discuter entre, bon, voilà, nous n'avons pas assez de nombre, euh, nous n'avons pas le nombre d'agents requis pour cette manifestation. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas décaler en attendant que, bon, voilà, voilà, voilà. Ça hmm. s'explique. Mais ici, non, c'est la veille, on nous envoie euh, l'interdiction. Et si on nous envoie la veille, qu'allons-nous faire et c'est pour ça que, effectivement, euh, euh, euh, Grand l'a dit, la loi, la partie où il faudrait revoir la loi, c'est par rapport à cette question de, charges. Nous, nous avons des responsabilités. Nous, nous avons déclaré une manifestation avec nos adresses. Nous sommes pacifiques. Nous mobilisons les gens, effectivement. Mais nous ne pouvons pas encadrer tout le monde. La force de l'ordre est là pour nous aider à encadrer. Mais en cas de vandalisme, il faut chercher ceux, qui, posaient les actes. Et aujourd'hui, c'est différent euh, du code de procédure pénale. La loi, euh, la, loi dans le code de procédure pénale, tu es, responsable de ce que tu as eu à commettre, pas celui-là qui est Tu ne peux pas être complice. Mm. Donc c'est pour ça que nous avons été relaxés. Nous avons été gardés pendant six mois. On était devant le juge. Nous ne sommes pas complices du point de vue du code de procédure pénale. Donc, euh, ceux qui ont posé les actes doivent être arrêtés et traduits devant les juridictions. Et Donc, euh, de leurs propres actes. Donc, c'est là où il faudrait revoir la loi. Hmm. Nous n'avons jamais demandé aux gens de sortir et casser. Nous n'avons jamais demandé aux gens de sortir et brûler. Nous sommes des, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme. Nous ne sommes pas des violents. Nous ne sommes hmm. pas des violents. Et pire, je vais vous dire une chose. Au même moment que nous nous demandons à organiser nos manifestations, on nous dit, ah, pour raison de sécurité, vous ne pouvez pas organiser cette manifestation. Parallèlement, le parti au pouvoir était en train d'organiser des activités, euh, euh, euh, des manifestations, je dis bien des manifestations, mais ils n'ont pas été interdits. Ça veut dire que deux poids, deux mesures, nous, on voulait, nous sommes les malpensants, on ne voudrait pas qu'on organise nos manifestations, donc il faut interdire. Donc c'est injuste. Et nous sommes, nous sommes levés contre cette injustice-là. C'est ce que nous avons laissé, tout ce que nous avons. Donc la loi, j'ai dit, les lois sont très bien faites. Mais ceux qui sont chargés de les appliquer ne sont pas vraiment, euh, je ne sais pas. Bien. <laughs> Et, je voudrais juste te poser la question, euh, cette question de, délai qui n'est pas souvent respectée par l'autorité pour vous notifier euh, l'interdiction ou mm. l'autorisation. Est-ce que vous avez eu à, attaquer ces jardins Oui, je vous ai dit qu'on a fait quatre référés avant qu'on commence à nous arrêter. On a fait quatre référés devant le juge où les délais soient inscrits dans la loi. Nous avons cinq jours fermes pour déposer notre manifestation. Le, euh, la municipalité a 72 heures pour se prononcer si elle veut interdire la manifestation. Et se prononcer, c'est écrire au préfet ou bien au gouverneur pour dire que la manifestation est interdite. Voilà les raisons. Et lui aussi, l'a apprécie. Donc, c'est pour vous dire que ces délais ne sont pas respectés. Et nous avons saisi les juridictions, ils ont fermé les yeux par rapport à ça. Alors que la loi est claire. Si c'est l'application de la loi, il faut l'appliquer à tout le monde. Donc, ils nous ont empêchés de manifester. Michael Zodi, quel bilan vous tirez, eh, ou bien quelle leçon tirez-vous des manifestations autorisées et celles interdites au euh, cours de l'année 2018 Et je pense même que euh, euh, le fait que l'année 2018 a permis effectivement aux municipalités, aux autorités municipales de se former par rapport à la loi 2004. Ils n'ont aucune notion par rapport à cette loi 2004. Il a fallu effectivement que les gens ont commencé à s'intéresser à cette loi, à se poser des questions. Et en dehors de ça, ils ont constaté, ils pensaient que eh, la manifestation allait faiblir. On a coupé la tête, la manifestation n'allait pas continuer. Et effectivement, les gens ont continué. Et c'est pour cela qu'il faut toujours prôner le dialogue par rapport à, certaines questions. Il faut toujours prôner, il faut discuter pour trouver des solutions. Mais eh, malgré qu'ils continuaient à interdire, les citoyens sortaient. Malgré qu'ils continuaient à interdire, et ils ont compris qu'à un moment, il faut laisser les gens manifester. Ah. Et c'est la victoire du peuple nigérien, c'est la victoire des citoyens nigériens. Dans ce bilan que vous faites de 2018, est-ce que toutes ces manifestations, euh, on va dire ces, ces les intentions de manifestation et les manifestations qui ont effectivement eu lieu, est-ce qu'elles ont permis de satisfaire les effets escomptés Oui, elles ont permis. Et aujourd'hui, vous savez, 2018, nous avons combattu la loi des finances 2018. Et vous vous rappelez, aujourd'hui, cette loi 2019, vous avez vu, ils sont revenus sur la Tati. Ils ont les gens ont commencé à comprendre que les citoyens nigériens sont déterminés. Je vous dis, les manifestations, ce sont des cadres de formation, d'information et de formation des citoyens. Quand on les rassemble, on les donne les informations nécessaires. On, les forme par rapport à leurs droits. Nous sommes en train de créer un nouveau type de citoyen capable de se défendre. Sans nous, sans moi, sans l'autre, le, le, citoyen peut dire que non, mon droit est pétiné par là et je peux le défendre. Et donc, c'est comme ça. Notre réussite, et nous continuons cette mission de mobilisation, notre réussite est qu'aujourd'hui, les citoyens sont sensibilisés, ils sont informés par rapport à la gestion de la cité. Et ils sont impliqués parce qu'ils eh, ont l'air moins à dire cette liberté d'opinion. Ils le disent ah, oh, pour dire que non, écoutez, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Déjà, eh, eh, nous sommes fiers de ce que nous avons eu à faire et nous allons continuer à faire ce combat-là. Bien. Pour finir, euh, Maina Carter, euh, selon vous, euh, comment garantir. Euh, dans la durée l'exercice de ce droit euh, la liberté des manifestations euh, comment garantir Et quelles conditions D'abord, la liberté de manifester, à l'instar d'autres libertés que j'avais évoquées tout à l'heure, mm. elles sont dites fondamentales. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle libertés fondamentales. Hein. Elles sont fondamentales pour l'être humain. Ce qui fait que euh, on doit laisser les citoyens euh, les exercer, comme le droit de grève, etc. Mais il faut que nous, les citoyens, nous les exerçons vraiment euh, normalement, avec beaucoup de responsabilités. Il faut que l'autorité administrative gère ces différents dossiers avec beaucoup de responsabilités. Les interdictions, souvent, ça ne résout pas un problème. Ça ne résout pas un problème. Il faut instituer des mécanismes de concertation avec, par exemple, les syndicats, avec la société civile, hein, de concertation pour gérer les manifestations. À chaque fois qu'il est question de l'exercice d'une grande liberté, il faut vraiment que ce mécanisme-là soit enclenché pour qu'il n'y ait pas euh, des désagréments. Et je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, l'exercice des libertés, c'est ça le véritable baromètre de la démocratie. On perçoit la santé d'une démocratie à travers <clears throat> la manière dont les droits et libertés euh, sont, sont, exercés du côté de l'administré, et par l'administré du moins, mais aussi de la manière dont c'est géré par l'administration. Dans les textes, les aménagements sont très bien faits. Maintenant, c'est au niveau de la manière dont se comportent les différents acteurs, notamment les administrés et les gouvernants, mm. qu'il faut faire un véritable travail de sensibilisation. Tout à l'heure, Michael Zodi disait que beaucoup de cadres de nos collectivités ignoraient les mécanismes de cette loi-là. Je pense qu'il faut faire beaucoup de formation, non seulement au cadre de la société civile, mais aussi au cadre des municipalités, parce que la porte d'entrée pour l'exercice d'une liberté, ce sont les municipalités d'abord, mm. avant l'autorité même mm. de concentrer, mm. c'est l'autorité décentralisée d'abord. Mm. Et vous avez parlé aussi de ce rôle, euh, en tout cas, de rempart de, la justice et, de... Oui, le juge aussi, le juge aussi euh, doit jouer un rôle. C'est le plus grand acteur. Tout à l'heure, je disais que c'est le juge qui fait la démocratie, en fait. Oui, oui, parce que euh, son autorité peut discipliner les acteurs de la démocratie. Et je pense que le juge doit imposer son autorité de lui en, se fixant comme objectif l'état du droit. Merci à vous tous euh, d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes pour débattre de cette euh, thématique, l'exercice de la liberté des manifestations à Niamey, quel bilan tiré euh, pour l'année 2018. Nous étions en compagnie de Maina Karté, juriste et secrétaire général de l'Association nigérienne des constitutionnalistes, Michael Zodi, coordinateur de l'organisation Tournons la page, section Niger, nous avons également invité, je le disais en début, pour cette émission, la Commission nationale des droits humains et la ville de Niamey, mais ces dernières n'ont pas répondu à notre invitation. Présentation de cette émission à la Kouzi Mahamadou.